le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans les localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozerine, Magaria, Mainasoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Nous consacrons une bonne partie de ce forum aujourd'hui à la célébration le 25 novembre dernier de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le Niger participe à cette dynamique que l'Assemblée générale des Nations unies a déclenchée depuis 2009. Un des moments forts de cette journée, c'est la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, avec pour objectif de susciter la mobilisation des différentes couches sociales. Au Niger, les données de l'UNFPI relèvent que l'indice genre est de 0,197 contre 0,560 pour l'ensemble des pays en développement. Le mariage précoce est récurrent au Niger avec 61% des filles entre 15 et 19 ans qui sont mariées et 28% avant l'âge de 15 ans, ce qui donne un taux de mariage précoce le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Pour en parler dans ce forum, nous ferons le tour de la question avec un témoignage de l'artiste Fatima Rikou qui en a été vraiment victime, vous le saurez tout à l'heure. Vous saurez aussi de quel type de violence on parle. Puis par la suite, nous irons à Maradi qui dispose d'un centre d'écoute des femmes victimes de violences et d'osso où la sensibilisation sur les conséquences de certaines violences est en train de porter ses fruits beaucoup commencent à comprendre que marier une fille très tôt n'est pas une bonne chose. Oui, la journée internationale euh, consacrée à l'élimination euh, de la violence euh, faite à l'égard des femmes c'est donc depuis le 25 novembre dernier, mais les festivités continuent avec la campagne euh, de, de ce jour d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Objectif, susciter la mobilisation des différentes couches sociales. Pour planter le décor, nous allons nous demander d'abord ce que c'est les violences faites aux femmes. En 1997, l'ONU définit la violence faite aux femmes comme la violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondée sur l'appartenance au sexe féminin causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou des effrances physiques, sexuelles ou psychologiques et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la, la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Au Niger, quels sont les types de violences faites aux femmes qu'on rencontre Je vous propose de suivre ce résumé de Kenda Mariam Diallo. Au Niger, la majorité des violences dont les femmes sont victimes reposent sur des pratiques traditionnelles. Le rapport sur le développement humain du Niger, de 1998, détaille ces pratiques traditionnelles néfastes qui sont à la fois des violences physiques et morales. Le mariage précoce qui a lieu dans certaines zones dès que la fille est à 9 ans. Le mariage forcé, est une pratique courante, souvent motivée par des raisons matérielles, paiement de la dot de la famille de la mariée, entre autres. Les violences conjugales qui, le plus souvent, ne sont pas dénoncées ou sont considérées comme des prérogatives du mari envers sa femme. Les restrictions alimentaires qui limitent la ration alimentaire des filles et des femmes ou parfois d'une catégorie de femmes au sein de la famille, seconde épouse, veuve, etc. Le culte de la famille nombreuse, qui surtout en zone rurale, lut le statut de la femme au nombre d'enfants qu'elle donne. Le retrait de l'enfant en bas âge est une pratique répandue dans l'ensemble du pays. Il survient en cas de séparation ou de réputation parfois avant même le sévrage de l'enfant. La claustration est considérée comme une source de prestige. Outre la privation de liberté, la claustration ne donne à la femme qu'une seule référence pour comprendre le monde extérieur, son mari. Il y a aussi l'excision pratiquée dans certaines régions du Niger et par certains groupes ethniques. Enfin, la répudiation est une pratique courante au Niger. Elle donne au mari le pouvoir de rompre unilatéralement les liens du mariage. Elle est souvent pratiquée contrairement aux prescriptions du Coran qui est pourtant avancée pour la justifier. Par le départ précipité de la mère, la répudiation met en danger le bien-être de l'enfant. Voilà euh, un résumé des types de violences faites aux femmes qu'on rencontre au Niger. Alors, comment se manifeste ce type de violence? Je vous propose de suivre euh, les explications de cet activiste Maria Moussa. Si cette journée est célébrée, c'est parce que les femmes continuent à être violentées partout dans le monde. Ici au Niger, chaque jour que Dieu fait aussi, une femme est violentée. La femme est victime de presque toutes les formes de violence. Il y a la violence physique, la violence psychologique, la violence économique, la violence sexuelle et les violences culturelles. Et quand on parle de violence culturelle, il y a le mariage précoce et ou forcé, les mutilations génitales féminines. Quels sont les efforts que votre organisation mène dans le cadre de la sensibilisation des Nigériens par rapport à ces genres euh, de violence. Notre euh, organisation a comme moyen d'action la prévention à travers des séances de sensibilisation pour un changement de comportement, le renforcement des capacités des acteurs de première ligne. Et quand on parle d'acteurs de première ligne, nous avons d'abord les groupements de femmes, les groupements d'hommes, les groupements de jeunesse, les forces de défense et de sécurité, les professionnels de la santé, les médias, les leaders d'opinion, donc les chefs traditionnels et les chefs religieux. Tous ces acteurs ont vu leur capacité renforcée à travers euh, des formations sur la problématique des violences faites aux femmes. C'est quoi la violence faite aux femmes Ses causes, ses conséquences Quelles solutions envisager pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants Et nous pensons que l'État du Niger doit être à nos côtés pour éradiquer ce phénomène même si on ne l'éradique pas, en tout cas que les violences euh, reculent. Alors, quels sont les efforts euh, du gouvernement en ce qui concerne l'éradication des violences faites euh, aux femmes L'État nous accompagne en tant que partenaire technique, mais du point de vue financier, ce sont nos partenaires habituels comme UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui vraiment euh, assure la prise en charge holistique des victimes. Et à travers cette euh, prise en charge holistique, nous avons la prise en charge sanitaire, la prise en charge économique, la prise en charge juridique, la prise en charge psychologique. Alors vous avez mené beaucoup d'actions en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Madame, c'est quoi la cause de toutes ces violences La violence a plusieurs causes. D'abord, on peut parler de l'analphabétisme, la méconnaissance par les femmes même de leurs droits, la mésentente au sein du couple, la pauvreté et vraiment l'ignorance. Depuis euh, le lancement de votre organisation, quel est l'apport ou la contribution de votre organisation dans le cadre de la sensibilisation des femmes euh, euh, par rapport à, à toutes ces violences Je peux dire que notre organisation a beaucoup fait parce que grâce à nos sensibilisations, les femmes ont su briser le silence autour de la violence. Les femmes viennent vers nous. La parole se libère alors. Voilà, la parole se libère chaque jour que Dieu fait, il y a des plaintes au niveau de nos sièges, même à l'intérieur du pays, puisque nous disposons de centres qui prennent en charge de manière holistique les femmes victimes de violences. Elles sont écoutées, elles sont accueillies, elles sont prises en charge sur le plan sanitaire, économique à travers la réinsertion socio-économique des victimes et l'accompagnement scolaire des enfants issus des familles dont la violence se vit. Il y a l'assistance judiciaire aussi, puisque quand la femme ne sait pas comment arracher ses droits et que sans problème est d'ordre purement juridique, il y a un cabinet d'avocats qui s'en charge, même si elle est à l'intérieur du pays. Et nous octroyons des petits fonds pour que les femmes qui sont pauvres ou bien les femmes qui n'ont pas de moyens puissent vraiment exercer des activités génératrices de revenus afin de supporter quelques charges au niveau de leur famille. Puisque c'est quoi le problème Aujourd'hui, il y a des femmes qui viennent parce que les maris les ont abandonnées ou ils sont en exode. La femme n'a même pas de quoi se nourrir. Et je pense que c'est une femme qui est violentée aussi. Le fait d'avoir abandonner sa femme aussi, c'est de la violence. Madame Mariam Moussa, on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, Madame Mariam Moussa que vous venez de suivre en seconde diffusion. Madame Mariam Moussa est la présidente de l'ONG FEFEV. Alors, il y a plusieurs exemples de types de violences qu'on trouve au Niger. Nous pouvons par exemple citer les mutilations génitales féminines qui concernent les jeunes filles. On trouve ces pratiques dans plusieurs régions du pays. Fatima Rico, auteur, compositeur et interprète, a été victime de cette pratique. Elle témoigne euh, pour une seconde diffusion au micro de notre reporter Raila Tsumana. C'est dans nos coutumes qu'on pratique l'excision. Je ne peux pas dire que c'est tout le village qui pratique, mais quand même, des deux côtés de mes parents, on pratique l'excision. Du côté de ma maman, c'est dans la région de Saï et côté paternel, c'est au Mali. Vous êtes euh, victime de cette opération. Avez-vous souvenance euh, de ce moment-là C'est un moment qu'on n'oublie jamais. On ne l'oublie jamais. J'avais euh, presque 7 ans et je sais que l'exciseuse est venue du Mali. Est-ce que c'est mon père qui l'a appelé pour venir nous exciser Est-ce que c'est nos mamans qui ont demandé qu'on nous excise Je ne sais pas. Est-ce que vous savez déjà ce que ça signifiait l'excision avant son arrivée Non, pas du tout. On ne savait pas. Étiez-vous la seule ou il y avait d'autres filles avec vous En tout cas, c'était toutes les filles de notre concession. Quel euh, instrument cette euh, exciseuse-là a-t-elle euh, utilisé Une lame, oui, une lame de rasoir. En fait, une fille de 7 ans qui ne sait pas ce qu'on est venu lui faire, on l'attrape juste le matin et puis on l'amène, on, lui coupe une partie de son corps. Les premières conséquences, c'est la douleur ressentie. Et puis, euh, à l'âge là, voir couler du sang, c'est vraiment un traumatisme pour une petite fille. Moi, le saignement n'a pas duré, mais parmi mes sœurs, il y a eu euh, celle qui était plus âgée, qui avait eu beaucoup de saignements. Jusqu'au lendemain, elle saignait encore. Après le mariage, l'accouchement, avez-vous rencontré d'autres problèmes plus graves le problème que j'ai rencontré, c'est surtout pendant l'accouchement. Chaque fois que j'ai une grossesse, le travail dure plus longtemps que quelqu'un qui n'a pas été excisé. Que faites-vous pour lutter contre cette pratique dans votre entourage En tout cas, tous ceux qui sont à côté de moi qui pratiquent l'excision, j'essaye toujours d'attirer leur attention que c'est une pratique qui n'est pas bonne pour euh, la fille et je leur explique les problèmes qui peuvent arriver à la fille. Euh, à part ça, j'ai eu la chance de faire euh, un film sur ma propre expérience. Je vais souvent dans les villages, je projette le film et puis je discute avec les villageois là-dessus. J'ai souvent des gens qui viennent dire oui, eux aussi ils ont été victimes et voilà eux les problèmes qu'ils ont eus. Donc c'est ce que je fais. Voilà l'auteur, compositeur et interprète Fatih Mariko qui a été victime de violences faites aux femmes, le cas spécifique de mutilations génitales féminines les violences faites aux femmes. Allons en région pour avoir plus d'idées sur ce phénomène. Et pour cela, nous allons prendre euh, la région de Maradi, Maradi qui dispose d'un centre d'écoute des femmes victimes de violences. Ce centre, créé par l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Conjugales, a pour objectif d'écouter les femmes afin de les orienter vers les services à même de mieux prendre en charge leurs plaintes. Pour le responsable du centre, Boubacar Moussaharouna, les plaintes tournent autour des violences physiques et des viols. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant de la région, Mohamed Maman. Ici, la plupart, on, reçoit les femmes. C'est les femmes qui viennent se plaindre euh, ici. La plupart, c'est les cas de violences physiques. Euh, il y a aussi les cas de viols. Il y a aussi les mariages euh, forcés ou bien précoces. c'est ce genre de cas qu'on reçoit ici au niveau de notre centre d'écoute. Comment vous les écoutez On les écoute euh, attentivement. Donc, euh, la femme se présente euh, ici. On lui donne l'occasion de se présenter son nom, son prénom. Après, elle raconte son problème. après avoir écouté, on, oriente la femme dans les différents services. Par exemple, la si c'est un cas de violence euh, physique ou bien viol, la plupart, euh, on oriente euh, la femme au niveau de la direction de la police. Et une fois là-bas, c'est eux qui vont continuer le processus. Donc nous, à notre niveau, on fait les, les suivis pas, à pas pour voir si, si la femme est satisfaite ou pas. Voilà, c'est ça les suivis qu'on fait après l'orientation de la victime. En moyenne, vous recevez combien de femmes par jour Bon, ça dépend. Parfois, par jour, on peut recevoir 2 euh, à 3 cas par, jour. Mais il y a des jours, parfois, il y a des, beaucoup de cas, on peut même avoir plus de 3. Ça dépend, quoi. Est-ce que ces femmes qui euh, se plaignent de, de, violences physiques viennent souvent avec des blessures, avec... Euh, oui, certaines femmes euh, viennent avec les, les symptômes, d'autres ce sont des anciens cas. C'est-à-dire c'est un problème qui s'est passé plus de 3, 4 jours après, elle, elle vient ici pour se plaindre. Quoi. Selon vous, quelle est la situation Est-ce que ça prend de l'ampleur à maladie Mm. Effectivement, euh, cette situation prend de l'ampleur ici à Maradi. En tout cas, surtout les cas de, les cas de mariage euh, forcé ou bien précoce. Il y a aussi les viols. Il y a aussi euh, les cas de violence physique. Mm. Ah, dans, dans, les cas de viol, on arrive à trouver l'incriminé Vous arrivez à suivre jusqu'à trouver celui qui a fait le viol mm, Oui. Oui, la plupart les auteurs sont, incarcérés au niveau de la prison, euh, les cas, les cas des viols. ce qu'on a des, cas des viols où les, euh, présentement les auteurs sont en prison. Voilà, le centre d'écoute des femmes victimes de violences euh, à Maradi, des explications de Boubacar Moussaourna avec notre correspondant Mohamed Maman. Un autre type de violence faite aux femmes ou surtout la jeune fille, c'est le mariage des filles à un très bas âge. Illustration à Dosso avec notre correspondant Daoud Hassan. J'ai été mariée à l'âge de 13 ans. J'ai beaucoup souffert. J'étais très vite tombée en grossesse. Et là également, avant même d'aller à l'hôpital, c'était un réel problème. J'avais beaucoup souffert. Une fois à l'hôpital, ça a pris beaucoup de temps. Là aussi, c'était une souffrance atroce. Les gens insultaient les infirmières qui s'occupaient de moi, alors que ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à ceux qui m'ont mariée très tôt. Âgé de 19 ans aujourd'hui, cette mère de quatre enfants dont le dernier n'a que 5 mois en veut énormément à ses parents pour avoir détruit sa vie. Une vie qui aurait pu être différente si elle n'avait pas été mariée de force et très tôt. À Diki, comme dans bien d'autres villages de la commune de Socorbé, les mariages forcés est une réalité. Mais grâce à la sensibilisation sur les conséquences dramatiques du phénomène, les mariages d'enfants tendent à disparaître, comme le confirme Ramatou, âgé de 35 ans. Il n'y a pas les mariages d'enfants ici, parce que toutes les les filles sont à l'école. Maintenant, même si un garçon veut prendre en mariage une fille, si ce n'est pas une fille qui n'est pas à l'école ou bien une fille qui est foutue, il ne peut pas avoir une fille pour marier dans ce village. Avant, on les faisait. La stratégie est simple, dira Sefia. Les petites filles sont inscrites et maintenues à l'école loin des tentations du mariage. Une fois que tu mets ton enfant au monde, si c'est une fille, à l'âge de 7 ans, amène-la à l'école. Tu fais tout pour qu'elle étudie correctement. Là, elle sera loin des tentations du mariage. Laisse-la étudier pour devenir le soutien de la famille. Et nous demandons au gouvernement de prendre en considération le système éducatif. Chose confirmée par M. Issa Kaguruza, chef du village de Diki, qui dit avoir interdit à jamais le mariages des enfants. Ce que la patience ne t'a pas donné, le fait de se précipiter ne va pas te le donner. Moi, j'ai dit qu'il n'y aura pas de mariage d'enfants ici dans ce village. Si la personne respecte, c'est bien. Mais s'il ne respecte pas, je vais dire ça aux autorités qui vont envoyer les forces de l'ordre ici. Et quand ils vont les menacer, il est obligé de céder. En tout cas, ici, j'ai interdit les mariages des enfants. La scolarisation et le maintien de la petite fille à l'école sont des solutions alternatives pour stopper les mariages des jeunes filles. A Diki, les messages semblent être compris. Daoud Hassan depuis Dosso pour le studio Kalango. Merci Daoud Hassan. Après Dosso, nous allons à Agadez où le phénomène est réel, aussi bien dans les milieux aisés que défavorisés. En tout cas, c'est la substance des explications données par euh, M. Bano Mohamedou, chef de division protection de l'enfant à la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez. Il est au micro de notre correspondant de la région, Mousse Maman. Les violences, vous savez, elles sont multiples et multiformes. Et les violences n'ont pas de barrière géographique ou bien de statut social. Donc pour être clair, les violences faites aux femmes, elles sévissent aussi bien dans les milieux aisés que ce qu'on appelle dans les milieux euh, défavorisés. Rien que la semaine passée, vraiment c'est un couple vraiment intellectuel, je ne vais pas citer vraiment le, le, nom, où une femme a été violentée. Bon, Dieu merci, vraiment on a pu quand même euh, rapprocher les deux parties. Donc c'est vous dire que la violence faite euh, aux femmes, c'est une réalité dans nos sociétés et même ici à Agadez. Donc nous, services euh, de protection, parce que je précise, on est une direction qui fait aussi bien la promotion de la femme que la protection de, de l'enfant. Et violence faite aux femmes, on entend aussi non seulement les majeurs, mais aussi les filles, les, enfants. Quand je parle des filles, surtout on fait référence euh, aux enfants. Et euh, les enfants, vous savez, c'est la tranche d'âge euh, 0 18 ans. Donc c'est déjà genre de type de violence qu'on peut avoir ici. Avec oui, donc euh, il y a les coups et blessures, il y, a les, y a les insultes et à les privations alimentaires. Donc, euh, coups et blessures, par euh, exemple, l'homme, l'homme donc une fois qu'il est frustré, en guise de correction, il peut taper sur sa femme ou bien il peut taper sur sa fillette. Il y, il y a la privation alimentaire. On va dire que bon, comme il en est ainsi aujourd'hui, tu n'auras pas les frais de récréation pour la lycéenne ou bien pour la collégienne et même pour l'écolière. C'est ça la privation alimentaire. Il y a aussi des enfants déficients mentaux, ceux-là qui ne jouissent pas de toutes euh, leurs facultés mentales, qui sont souvent aussi attachés souvent la police nous interpelle ou bien c'est des tiers dans les quartiers. On nous dit que bon, dans tel quartier là, mais vraiment, il ne faut pas que vous dites que c'est moi qui ai fait le signalement il y a, y a, un couple là vraiment qui a attaché une fille ou bien une femme parce qu'elle ne joue pas de toutes ses facultés. Vous voyez, c'est des réalités que nous vivons. Des cas ici nous avons eu des cas. Hmm. Nous avons eu des cas, mais nous, en tant que service à protection, notre mission, c'est d'abord la sensibilisation. On part vraiment dans les foyers on instaure un dialogue entre nous et la famille pour dire que ce n'est pas vraiment l'enfermement qui peut résoudre le problème. Il y a deux semaines de cela, on a eu un cas comme ça. C'est dans le véhicule de la direction, on a référé le cas directement à l'hôpital psychiatrique. La mère de la fille dit qu'elle, n'a jamais su que, bon, euh, vraiment, elle, ne connaît pas, elle n'a jamais su qu'il y a un, service psychiatrique. Bon, du moins, c'est ce, ce qu'elle nous a laisser entendre. Et pour le cas qui a violenté aussi sa, euh, sa nièce, sa nièce là aussi, vraiment, nous avons dit que bon, voilà, vous savez que les textes les textes sont là. On règle ça à l'amiable, sinon bon, en cas de répétition, parce que nous disposons d'une équipe euh, de travailleurs sociaux qui ont cette latitude de faire des visites ce qu'on appelle les visites à, domicile. Donc euh, si vraiment la violence est épisodique là, il y a à garder ce qu'on appelle le juge des mineurs. Nous saisissons le juge des mineurs et puis bon, on ouvre un dossier de protection. Voilà comment ça se règle. Rien que la semaine passée, notre, la deuxième action aussi de la direction, c'est la sensibilisation. On fait des émissions avec les autres acteurs de la société civile parce que c'est un travail immense que seule la direction régionale de la protection de l'enfant ne peut pas mener elle toute seule. Donc il faut nécessairement impliquer l'éducation, la santé, la, la justice et la société civile. Donc c'est vraiment un combat d'ensemble parce que la, euh, la violence faite aux femmes là vraiment c'est c'est une réalité et malheureusement elle est sournoise. Il se pourrait que chez votre voisin il enferme sa femme, il la bat mais parce que, bon, nous avons des coutumes, des valeurs qui n'encouragent pas cette dénonciation. C'est rare de voir la femme elle-même aller porter plainte. Une fois que la femme sort pour aller porter plainte, ça veut dire qu'elle a eu chaud, ça veut dire que c'est de manière répétée. Voilà pourquoi on dit que c'est vraiment un mal qui est très sournois, malheureusement, dans notre société. Donc c'est la direction de la promotion de la femme et la protection des mhm. enfants, que vous avez eu combien de cas de, violence des femmes La période de janvier à octobre, parce que nous disposons d'une base de données. Donc, euh, je vais revenir sur la nature ou bien la forme des violences. Il y a ce qu'on appelle le mariage euh, Forcés ou bien mariage d'enfants. Il y a les cas de maltraitance. Il y a le cas d'abus aussi. On a répertorié 19 cas pour toute la, région là où il y a les services protection. Ingala, Tiro, Arlit, Agadez. Donc là, ça, c'est les chiffres seulement qui sont reconnus officiellement. Je pourrais qu'il y a plus que ça, 19 cas. Euh, quelles sont les mesures que vous prenez maintenant pour euh, lutter contre ah ces bah ces violences Voilà, donc nous, notre euh, combat, je l'ai toujours dit, hein, vraiment, c'est la sensibilisation. On continue toujours à sensibiliser lors des événements spéciaux, par exemple la journée de la femme, la journée de l'enfant africain, ou bien même à travers les émissions radiophoniques. Rien que la semaine passée, nous avons inviter ce qu'on appelle le secteurs alliés, les associations islamiques, euh, la société civile qui est la CDTN, et nous-mêmes pour débattre de ce type de, de violence-là. Donc c'est la sensibilisation parce qu'on est un service protection. On va continuer à sensibiliser. Voilà, vous venez de suivre euh, le monsieur Bana Mohamed, euh, le directeur, le chef de division protection de l'enfant à la direction de la protection de l'enfant à Agadez sur les violences faites femmes. La suite de ce forum, euh, retenait qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté ce lundi le projet de loi portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia. Le président de la Halsia, Isfou Bourema, se réjouit de la confiance et l'intérêt que les élus nationaux ont accordé à son institution. Il s'explique au micro de notre reporter Mokhtar Hamadou. C'est d'abord euh, le lieu de remarquer que la préoccupation est vraiment nationale. Au début, lorsque la Halsia a été régie par un décret du président, on pouvait à juste titre penser que c'était le président de la République seul qui se préoccupait du phénomène de la corruption qui empêchait le Niger de se développer aujourd'hui avec euh, les débats qui ont eu lieu au sein de l'émission et également au regard de l'apport que nous avons senti, on est obligé de se rendre compte que la lutte contre la corruption est une préoccupation nationale puisque la représentation nationale s'y est penchée, puisque la représentation nationale a contribué également à apporter des solutions. C'est donc vraiment aujourd'hui un sentiment de satisfaction qui m'anime de constater que cette préoccupation est vraiment nationale et c'est à juste titre d'ailleurs puisque dans tous les cas, la lutte contre la corruption est un combat qui est mené en vue de créer les conditions de développement économique et social de notre pays. Toutes choses qui sont des préoccupations qui sont justement à la charge de tous les députés du Niger. Chacun d'eux, certainement, est animé par la volonté de voir sa région, de voir en un mot le Niger se développer. Et c'est pour cela que je constate avec beaucoup de satisfaction qu'ils ont tous contribué euh, positivement et que même les critiques les plus méchantes étaient constructives. Et donc euh, voilà, maintenant le texte vaut ce qu'il vaut. C'est à nous d'en faire vraiment, de, lui, de sortir toute sa substance également. Les choses vont aller certainement doucement. Ce n'est certainement pas le texte idéal que certains idéalistes auraient voulu voir. Chacun fait ce qu'il veut, sa législation, à la mesure de ses préoccupations et à la mesure de ses capacités également. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut considérer que la RCA vient d'être dotée d'un texte qui va lui permettre de mener à bien ce combat. ce phénomène euh, gigantesque que la corruption va trouver en face euh, de lui des armes à la hauteur de sa dangerosité et certainement plus facile à abattre, plus facile à éradiquer, plus facile à contrecarrer, bien sûr avec également les autres parties prenantes. Je pense bien que le combat est certainement, en tout cas bien engagé cette Quelques députés ont émis des réserves, des inquiétudes. Que répondez-vous par rapport à ceux qui pensent que la Halissa est créée tout simplement pour traquer les opposants C'est une mauvaise vision de la chose. Quand on dit qu'on recherche l'efficacité de la dépense publique, c'est évident que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en charge de la dépense publique qui peut se plaindre de l'existence de la RCA qui justement regarde cette dépense. Un opposant ne, ne gère pas. Alors, comment quelqu'un qui ne gère pas peut être traqué Je ne dis pas qu'ils sont exclus du champ de compétences de la RCA. Il peut être complice, il peut être co mais a priori, à 80%, ce n'est pas lui la cible. Et dans tous les cas, il n'y a qu'à se tenir tranquille pour ne pas être justement la cible de la Les Nigériens vous attendent sur la question de la santé. Vous avez sauté sur celui de l'éducation. Est-ce que même avec ce vote-là, on peut continuer à vous faire confiance Je pense bien que la Russie est digne de confiance. Jusqu'ici, nous avons fait le travail qui nous est demandé avec beaucoup de professionnalisme et en toute impartialité. Par le passé, le décret qui nous gérait ne nous donnait pas la possibilité d'avoir de l'autosaisine. Et toutes les enquêtes que vous avez vues, nous avons menées, ont été déclenchées sur la base de dénonciations ou sur la base d'une saisine officielle sur le secteur de la santé, nous n'avons pas eu concrètement beaucoup d'interpellations, de, ni, de, ni de plaintes, ni de dénonciations. Mais en tout cas, même maintenant, nous sommes toujours à l'écoute de toutes les dénonciations. Les dénonciations seront reçues et vont être traitées avec le même sérieux que dans celui de l'éducation. Je sens que vous êtes satisfait des résultats des investigations dans le domaine de l'éducation. Si dans le domaine de la santé, nous sommes saisis, nous n'hésiterons pas à faire des investigations poussées. Monsieur le Président, on vous remercie. Voilà, Monsieur Issoufou Bourema, le président de la Alcia, ce matin au vote à l'Assemblée nationale du projet de loi portant justement création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia. Les députés de l'opposition, en l'occurrence ceux du groupe euh, parlementaire Zamzam Lomana, ont préféré s'abstenir lors du vote de ce projet de loi portant création de la Et selon le député national maître Nyand Karimoun du groupe parlementaire Zanzam Lumana, les autorités nigériennes auraient dû ériger la en un organe tout simplement indépendant et pleinement autonome. Je vous propose de le suivre au micro de notre reporter Mokhtar Hamadou. Vous avez effectivement suivi avec nous le débat. C'est un texte euh, extrêmement important. Vous avez entendu, on vous a dit que le président de la République a bataillé dur pour faire passer ce texte aujourd'hui. Pour d'abord le mettre dans le circuit avant qu'il ne vienne à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il faut rappeler, ce texte-là, j'ai entendu que c'est comme c'est sorti de l'initiative propre du président de la République. C'est vrai, celui peut-être qu'il a convoyé pour venir à, l'Assemblée nationale, mais il faudra lui rappeler et rappeler à tout le monde que ce texte-là est une exigence de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Niger a ratifié régulièrement et volontairement ce texte. Par conséquent, en exécutant les obligations issues de cette convention, il est tenu donc de faire adopter ce texte. Deuxième chose que dit la convention, et je trouve que on n'est pas allé au bout de la logique de ce texte. Parce que la Convention, en son article 6.2, exige à ce que ce soit un organe indépendant. Or, à l'État, de ce texte, il n'est pas indépendant parce que simplement il est placé sous la tutelle du président de la République. Parce qu'il y a deux notions juridiques qu'il ne faut pas confondre, l'autonomie et l'indépendance. Un organe est autonome sans être indépendant parce que ça veut dire qu'il tient ses ordres d'ailleurs d'une autre personne. Or, normalement, c'est un organe indépendant, pas un organe autonome. Qu'est-ce que ça coûte au président de la République ou au gouvernement d'ériger cet organe, la HALSIA Un organe indépendant purement et simplement. Où est le problème Si tant que ce n'est pas pour faire des règlements de comptes politiques comme ils l'ont dit, ce à quoi nous, nous n'avons pas pensé, si c'est eux-mêmes qui le disent, ça relève de leur responsabilité. Mais si, tant que ce n'est pas pour régler des comptes politiques, si ce n'est pas pour faire de ça un instrument d'ordonnement de comptes politiques, ils n'ont qu'à l'ériger purement et simplement en organe indépendant. Point. Vous faites partie de l'opposition politique nigérienne, les opposants ne gèrent pas. Pourquoi s'inquiéter Nous devons nous inquiéter parce qu'il s'agit de la gestion du bien public. Il s'agit donc de la transparence. Il s'agit de l'enrichissement illicite. Voilà pourquoi nous parce que ce sont les deniers de l'État. Ce sont les deniers du peuple, nigérien. Même si nous ne sommes pas donc aux affaires, c'est-à-dire que nous ne sommes pas euh, être à mesure d'être corrompu ou d'être dans des places où on va nous corrompre, nous avons le souci de savoir que les données publiques sont bien utilisées. Donc, euh, euh, honorable Nyandou Karim, faites partie de ceux qui pensent que la Halicia est créée tout simplement pour traquer des opposants. Mais si tel n'est pas le cas, il faut l'ériger en organe indépendant, sans que ça ne soit sous la pression sans que ça ne soit rattaché à aucun organe politique en particulier. Et je trouve que le rattachement au président de la, président de la République, c'est l'organe le plus politique. Alors, au cours de ce débat, quelle était la position du groupe parlementaire Zamzam Lumana Nous nous sommes abstenus parce que simplement, nous n'arrivons pas que dans le texte tout est mauvais. Non. Nous avons voulu simplement que les gens aillent jusqu'au bout de leur logique en faisant donc de cet organe un organe, une autorité indépendante. Parce que c'est l'aspect le plus important. Tout le reste, ce ne sont que les conséquences. Dès lors qu'on n'a pas érigé un organe indépendant, nous pensons que nous émettons une réserve parce qu'elle ne va pas atteindre l'objectif pour lequel il a été créé. Euh, l'indépendance suppose euh, quoi selon vous L'indépendance suppose qu'il n'est rattaché à aucune autre personne, à aucune autre structure de l'État. C'est ça l'indépendance. Il prend de l'autonomie. Nyandou Karimou, vous remercie. Merci. Voilà les explications du député Nyandou Karimoun sur le vote du projet de loi portant création de la Alcia. Le groupe du député Nyandou Karimoun, Zamzam Loumana, n'a pas voté pour ce projet de loi. Ce dernier point à retenir, le 19 novembre dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des toilettes. À l'instar des autres pays, le Niger a également commémoré cette journée. Au Niger, c'est l'UNICEF qui accompagne le gouvernement à travers le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement pour l'accès à l'hygiène en milieu rural avec un focus à des conditions sanitaires idoines par la réalisation des toilettes. Plusieurs localités du Niger ont bénéficié de cet appui. Gungu Mohamed notre reporter, a joint euh, Nyari Armand, le chef de l'unité WORF UNICEF. Je vous propose de suivre euh, ses explications. L'UNICEF intervient déjà depuis plusieurs années dans l'amélioration de l'accès à l'hygiène en milieu rural, l'hygiène et l'assainissement en milieu rural, et principalement avec un focus sur l'amélioration de l'accès à des conditions sanitaires idoines focalise sur euh, la fin de défécation à l'air libre qui se traduit par la réalisation de, toilettes. Et ces interventions s'inscrivent en droite ligne du contexte national nigérien pour lequel seulement 27% de la population a accès à des infrastructures sanitaires améliorées. Et donc, on a aujourd'hui au Niger près de 73% de la population qui défèque à l'air libre. Et face à ça, la réalisation de latrines en même temps que le changement de comportement pour mettre fin à la défécation à l'air libre sont des actions essentielles pour améliorer significativement les conditions sanitaires des populations en milieu rural. Voilà ce qui fonde nos interventions et qui fait que l'UNICEF accompagne le gouvernement nigérien à travers le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement à améliorer les conditions d'accès des populations, principalement celles rurales, à des infrastructures sanitaires améliorées, dont les toilettes. Depuis que vous avez commencé cette activité au Niger, quelles sont les zones dans lesquelles vous avez pu intervenir Donc, euh, pour améliorer euh, l'accès des populations rurales à un environnement sain, le Niger a accompagné le gouvernement à introduit l'assainissement total piloté par la communauté dans le pays depuis 2009. donc à ce jour, l'assainissement total piloté par la communauté ATPC, porté par le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement à travers la direction nationale de l'assainissement, différents partenaires accompagnent donc cette direction pour mettre en œuvre l'ATPC. Pour ce qui concerne spécifiquement l'UNICEF, nous avons appuyé l'ensemble des régions du Niger en dehors de celle de Niamey et nous intervenons dans 49 communes aujourd'hui pour la mise en œuvre de la TPC. Aujourd'hui, on a plus de 650 000 Nigériens dans 1350 villages qui ont décidé de mettre fin définitivement à la défécation à l'air libre avec l'appui de l'UNICEF et du gouvernement nigérien. Ça se traduit euh, généralement par au minimum une latrine par ménage ou par famille, la situation sociale, mais encore une fois, ce changement significatif de comportement et les normes sociales qui accompagnent sont un facteur déterminant pour améliorer les situations de vie des populations rurales nigériennes. Que pensez-vous de l'appropriation de cette euh, idée par rapport à l'action que vous avez portée au niveau de ces différentes euh, populations Je veux dire, certainement, vous avez fait une évaluation. Est-ce que les populations se sont appropriées cette idée oui, absolument. Les populations se sont appropriées la l'assainissement totale pilotée par la communauté. D'abord parce que ce n'est pas une intervention qui vient avec euh, des financements, c'est une intervention qui met l'accent sur la prise de conscience et la décision des communautés de changer elles-mêmes leurs pratiques. Euh, partant de là, les communautés réalisent elles-mêmes le changement qu'elles peuvent approprier à leur situation sanitaire. L'accompagnement qui est apporté par l'extérieur permet de stimuler des dynamiques, mais euh, les communautés elles-mêmes sont actrices des changements. Ces communautés, en plus d'avoir amélioré significativement leurs conditions sanitaires, les, populations ont instauré un certain nombre de normes sociales qui matérialisent toute l'appropriation qui est accordée à la TPC. À titre d'exemple, dans ces communautés, quand des latrines s'écoulent, des dynamiques communautaires pour des travaux d'intérêt collectif sont réalisés pour reconstruire les latrines qui, ont connu des situations d'éboulement. Dans certaines communautés, les populations ont tellement bien adopté la TPC qu'elles ont décidé de construire des latrines à l'entrée et à la sortie de leur village pour éviter que les passants ne défectent dans leur environnement. Tout simplement parce qu'elles voient bien les risques sanitaires liés à la pratique de défécation à l'air Et des normes sociales de ce type, on peut en citer d'autres. Dans certaines communautés, la décision a été prise par le, par le conseil de village que personne ne viendra d'une autre famille, d'un autre village pour épouser une fille de leur village si le prétendant n'a pas de la tenue à la maison. Donc on est là sur un changement profond de comportement, changement profond de façon de voir la capacité des acteurs communautaires eux-mêmes d'améliorer significativement leur situation sanitaire une fois qu'elles ont compris et qu'elles ont pris conscience de la nécessité de changer. Au vu de l'ampleur de cette activité et surtout dans un Niger aussi vaste que cela, est-ce qu'il y a des ONG qui font la même activité Est-ce qu'il y a une bonne collaboration, une concertation entre vous ou un appui que vous donnez à ces ONG Absolument. L'UNICEF appuie le gouvernement nigérien pour la mise en œuvre de la TPC. cet appui se fait d'abord à travers le niveau central du ministère, de l'hydraulique et de l'assainissement, et à travers les directions régionales et départementales de l'hydraulique et de l'assainissement. En complément de ces services techniques, l'UNICEF appuie différentes ONG de mise en œuvre qui se sont spécialisées progressivement dans la mise en œuvre de la TPC, avec lesquelles des accords de partenariat existent qui permettent à ces ONG d'amplifier la mise en œuvre de l'ATPC au niveau national et plus spécifiquement des différentes communes dont nous avons parlé tantôt. En plus de l'appui qui est apporté par l'UNICEF, il faut dire que d'autres ONG internationales et nationales mettent en œuvre l'ATPC au Niger. Et donc notre souci, dans le cadre de notre appui au ministère de l'Hydraulique et de l'Assemblée, c'est d'arriver à harmoniser l'ensemble des interventions en ATPC qui se font à l'échelle du territoire, de sorte à ce que tous nous puissions contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça va se traduire dans les semaines qui viennent par l'élaboration d'un guide national en appui au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, de sorte à ce qu'une meilleure coordination des interventions de l'ensemble des partenaires se fasse. Les défis sont grands, le Niger est grand, il reste plus de 14 millions de personnes encore des séquences à l'air libre qui ont besoin d'être euh, accompagnés pour adopter la TPC. Il est donc nécessaire que l'ensemble des partenaires qui soutiennent le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et de façon spécifique l'ensemble des partenaires de mise en œuvre puissent euh, travailler dans un cadre de collaboration et de coordination sous le leadership du ministère de l'Hydraulique et de la Pour nous, l'UNICEF, tous les jours sont des éléments commémoratifs de, la journée mondiale des toilettes. Cette année, nous n'avons pas organisé d'activité spécifique à l'occasion de la journée pour l'instant, tout simplement parce qu'une série de villages sont actuellement en évaluation et donc la cérémonie de célébration de ces villages ayant atteint le statut de fin de défécation à l'air libre constituera un élément marquant à célébrer et qui, pour nous, viendra renforcer le message que nous n'avons pas pu porter pendant cette journée. Mais encore une fois, nous voulons de façon concrète, dans les communautés qui ont atteint la fin des défécations à l'air libre, faire une célébration à la hauteur des enjeux. Quel est votre message à l'endroit des bénéficiaires et des ONG partenaires euh, Notre message à, l'attention des bénéficiaires est simple et clair. Le changement de comportement que vous avez décidé vous-même d'adopter contribue, comme vous l'avez constaté vous-même, à améliorer votre environnement, à améliorer votre santé et celle de vos enfants. Elle va vous permettre, en plus d'économiser en soins de santé, d'être toujours en pleine forme pour être productif pour le Niger. À l'attention des ONG, c'est ensemble que nous allons réussir à améliorer les conditions de vie des populations rurales nigériennes. Il faut que tous nous puissions nous donner les mains pour être plus fort parce que les défis à relever sont importants, parce que les populations rurales comptent sur nous pour leur apporter l'appui nécessaire pour qu'elles-mêmes puissent prendre les actions idoines, changer leur situation sanitaire et améliorer leurs conditions de vie. Voilà, vous venez de suivre Nyeré Armand de UNICEF Niger à l'occasion de la célébration le 19 novembre dernier de la journée mondiale des toilettes. Au Niger, c'est l'UNICEF qui accompagne le gouvernement à travers le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement pour l'accès à l'hygiène en milieu rural avec un focus sur les conditions sanitaires idoines par la réalisation des toilettes. Ainsi s'achève euh, le forum de ce lundi 28 novembre 2016. Merci à vous qui nous écoutez. Merci. Nous nous retrouvons demain pour d'autres sujets. Bonne soirée.